il est l'heure. On tourne la page pour 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Kayesi. Barkaji modon e wonja golitane. et barkamu da sabuwar shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Il est 11h à Niamey et ses environs. Bonjour chers auditeurs du Niger sur Kalangou. Très ravi de vous retrouver pour ce troisième numéro de la semaine de cette émission. Vous êtes en compagnie de Samira Wafi et d'Ali Moukela Ouseni pour la présentation. Alors Seno, tu vas bien ce matin Super bien, je rends grâce euh, Samira. Alors, euh, dites-nous, euh, nous avons quoi au programme ce matin Comme d'habitude, c'est nous. Nous débuterons avec le Flash Info, la rubrique hebdomadaire environnement qui va parler de la campagne agricole 2023, le reportage région qui nous garde aujourd'hui à Niamey, sans oublier notre page sport et le loti de l'équipe femme du studio Kalango. Eh bien, Samira, aujourd'hui, nous recevons comme invité dans cette émission Denis Gaston Ezekiel. Il est le président de la chorale laïque de l'université de Niamey. Avec lui, nous parlerons de dialogue interreligieux. Avant d'entamer cette émission, coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre, notamment Seni à la technique et à l'édition Adama Dawaki. Chers auditeurs, accueillons ensemble Mokhtar Hamadou pour le flash d'information. Bonjour Mokhtar. Bonjour Ali, bonjour Samira. Le flash d'information à présent le gouverneur de la région de Tawa, colonel major Umaru Tawaye, a assisté hier 9 janvier dans les locaux de la direction régionale de la police de Tawa à la cérémonie de présentation de drogues et autres produits saisis par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants Il s'agit de 242 briques de cannabis, 500 comprimés de tramadol, 2000 euh, comprimés de diazépam, 12 euh, sacs de dynamite, 60 euh, chaussures militaires et 30 tenues treillis et saisies dans les localités de Kintabaraden et Guidantakusara, estimées à plus de 70 millions de francs CFA. Le ministre d'État nigérien de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, s'est entretenu hier avec le ministre libyen des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, Issa Majid Mansour, rapporte le service de la communication du dit ministère. Selon toujours la même source, les discussions entre les deux ministres ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Niger et la Libye, notamment dans les domaines de sécurité et migration. L'ancien ministre d'État en charge de l'énergie, Ibrahim Yakoubou, a été déféré hier mardi 9 janvier à la prison civile de Walam après son audition au tribunal militaire de Niamey, rapporte le journal en ligne Actu Niger en exil euh, depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Il est rentré au Niger le jeudi passé et a été aussitôt interpellé par les services de la sécurité puis déposé le lendemain vendredi à la maison d'arrêt de Niamey dans le cadre de l'exécution du mandat d'arrêt dont il fait l'objet pour complot et trahison contre l'État. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 10 janvier 2024. Merci bien Mokhtar pour toutes ces informations. On l'a annoncé euh, en titre en début d'émission. Nous recevons aujourd'hui euh, M. Euh, Denis Gaston Ezekiel. Il est le président de la chorale laïque de l'Université de Niamey. Avec lui, nous parlons de dialogue interreligieux. Bonjour M. Ezekiel. Bonjour Samira. Vous allez bien Bien, merci beaucoup. Alors bonjour, rebonjour. Bonjour nous. <laughs> merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Euh, mais avant de commencer nos échanges, écoutons ensemble l'un des titres des chants de la chorale universitaire. Il s'agit du titre Kaunar Jounan. C'est parti. buƙatar zaman lafiya gama in ba da salama ba ba za mu ci gaba ba maza da mata yara da manya mu haɗa kanmu domin mu zauna lafiya lakkalkanai gati labu arzaka wani mutum gaciyar di gatiyan yafo babu fallon gir labocina zama dukkan bufungu kalkwayo niger yo leydi men ni en pilo potal e leydi men sabu ɓe mbi'i to potal wala duniyaaru wela niger bulandi kumande senna adunan karo kalan ni fongiru sulhudu bulandero boy sammande Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Kaunar Juna de la chorale universitaire. Et nous revoilà en studio avec notre invité. Il s'agit euh, du président de la chorale universitaire, monsieur Denis Gaston Ezekiel. Alors, euh, pour commencer, euh, quelle est l'histoire derrière cette chanson que nous venons d'écouter? Merci beaucoup Seno et merci de me recevoir sur votre plateau. Alors ce chant a été composé, en, euh, je crois, il y a trois ans de cela. C'était à la suite euh, des élections qui a eu lieu, qui ont eu lieu, et il s'agissait pour nous de passer un message de paix, d'appel à la cohésion sociale et voilà du, du vivre ensemble et surtout de la préservation du bien le plus cher que nous avons, le Niger, voilà et tout cela. Ok. Alors, la chorale est composée de combien de membres et comment sont-ils choisis Alors, la chorale est composée d'une cinquantaine de jeunes, de plusieurs confessions religieuses et de plusieurs nationalités aussi, étudiants de l'université de Niamey comme euh, étudiants des grandes écoles. Mhm. Et ils sont choisis euh, sur la, à la suite d'une audition donc qui essaie de juger de leur capacité à chanter, et aussi de leur capacité aussi à vivre ensemble et aussi à travailler ensemble sur des projets artistiques mhm. avec d'autres personnes également. Alors, pouvez-vous nous parler de l'histoire et de la mission de la chorale universitaire de Niamey en tant que lieu de rencontre entre les musulmans et les chrétiens Alors, la chorale universitaire existe depuis cinq ans. Donc voilà, depuis 2018. Mhm. Donc voilà cinq ans que nous avons commencé et que nous n'avons pas arrêté. Elle est composée d'une cinquantaine de jeunes euh, issus de, de différentes religions. Et la mission de la chorale, c'est vraiment la promotion de la paix et de l'unité, la promotion du vivre ensemble, de la cohésion sociale. C'est de montrer que euh, nous pouvons, n'avons pas besoin d'être tous les mêmes pour pouvoir vivre ensemble. On peut être différents dans nos opinions, dans nos religions, mais fait collaborer ensemble sur un projet et donner quelque chose de beau et de merveilleux ensemble. Comment la chorale alors favorise-t-elle la compréhension interreligieuse entre euh, les membres alors, nous organisons des activités ensemble mhm. euh, et nous essayons au mieux que possible de promouvoir cette diversité-là, d'abord par les chants que nous chantons. Euh, nous essayons d'avoir un répertoire le plus laïque possible. Et également, euh, dans nos, par exemple, dans nos séances de répétition, nous essayons de respecter les différentes, les différentes croyances religieuses. Alors, quand vous venez à la chorale, vous n'allez pas votre religion. Donc vous mhm. venez avec votre religion et vous cohabitez avec les autres qui, qui peut-être n'ont pas la même opinion religieuse que vous. Mhm. Lorsque par exemple ce sont les moments de répétition, lorsqu'il est l'heure d'aller prier, nous mettons les propos à nos séances de répétition pour aller prier et revenir, ou lorsque d'autres confessions ont leur jour de prière, nous essayons de ne pas programmer euh, pendant ces moments-là. Mhm. Super. Alors, euh, quels sont euh, les défis hein, et les, réussites de maintenir une laïque dans un contexte euh, religieusement euh, diversifié Alors, euh, les défis résident surtout dans la gestion des différentes croyances c'est vraiment d'amener euh, les différentes les différents choristes à s'accepter, à accepter les autres et accepter de travailler et de collaborer ensemble, Vraiment, voilà essentiellement. Alors là, il est réussite, il y a eu, nous avons de très belles expériences avec la chorale mhm. dans le sommet de l'Union africaine de 2019 qui nous a, je dirais, plus ou moins révélé au grand public. qui nous a tous marqué bien sûr. Oui, bien sûr. <laughs> vraiment, c'était une très belle expérience et ça a permis à toute l'équipe de travailler ensemble sur les mêmes projets, d'apporter la contribution par le chant à la promotion de la paix et de l'unité. Mhm. Et récemment, nous avons aussi organisé notre concert, mhm. notre qui, à la suite de notre, cinquième anniversaire. Mhm. Et ça a été parrainé par le Premier ministre euh, Ali Mahmoud Laminzen, que je vais saluer de peu passage. <laughs> C'était au Palais des Congrès, c'était une très belle expérience pour moi. Ok, d'accord. Alors, euh, messieurs Ezekiel, nous allons marquer une petite pause. Nous retenons bien évidemment d'avant votre intervention euh, dans cette première partie que vous avez créé la chorale universitaire euh, depuis 2018. Donc, vous existez il y a de cela cinq ans. Et votre mission principale, c'est la promotion de la paix, le vivre ensemble, tout en respectant, euh, n'est-ce pas, euh, les différentes croyances, parce que vous avez plusieurs croyances au sein de la chorale universitaire qui est déjà qui est d'ailleurs laïque, j'allais dire. Merci infiniment. Nous allons euh, revenir pour la suite. Mais avant, poursuivons euh, avec euh, la consommation musicale parce que le Niger sur Kalangu, c'est également aussi de la consommation musicale 100% nigérienne. Et cette fois-ci, chers auditeurs, je vous propose le titre Hanfona Gaban de Metaphor Crew. cessons de couler. Africa. Où est passée ta liberté Pourquoi la bonne ne règne plus dans nos cités Africa. Quand ce sera-tu de saigner De l'âme de sang sans de couler. Africa. Où est passée ta liberté Pourquoi la bonne ne règne plus dans nos cités ah, Funagaban, King in Nazare, Barney, Silgo, Wangora. And Funagaban, Meze Latume, Zegoga, Tom Tom, we are Pekalabora. And Funagaban, and Funagaban, King in Nazare, Barney, Silgo, Wangora. And Funagaban, Patukula, Latume, Zegoga, Tom Tom, we are Pekalabora. And Funagaban, Rika, Hinakocha, La Kita, Bimuna, Kuka narenda rana muna gani sohon garuruwa chida gaba mukumuna baya yes mama africa kuya nyanya kitunya shalyo balmi idawa kulumuna chikita lo chida nyungwa we saboda ya kijoshu sikarewa

Fokrou incarne l'essence vibrante du rap nigérien, fusionnant les langues zarma, hausa et français avec une habileté remarquable. Depuis leur entrée euh, en scène en 2000, Yazdi, Lion CDB et Luzdi ont sculpté, sculpté plutôt un espace unique où leurs paroles percutantes dépassent les frontières linguistiques. Et oui, Samira, à travers les riches leur rime, j'allais dire engagée, euh, le trio explore le problème, les problèmes sociaux qui entravent le progrès au Niger, offrant ainsi une voix authentique et poignante à la réalité africaine. Et eh oui, euh, Métaphore Crew ne se contente pas de rapper, il sculpte un récit musical profondément enraciné dans les défis et les aspirations du peuple nigérien. Après le Rwanda, le Congo est venu le tour de la Côte d'Ivoire, le Mali et la Libye. Demain, à tu le trou Au lieu d'attendre tour, il va falloir y agir sans choix. Sinon mon Afrique sera victime de leurs abus de pouvoir. Bon sang mes frères, si ce continent est agonissant, c'est à cause de mais aussi du rôle mystique que nous jouons. Oui, je témoigne à travers ma critique de Carter Pacifique que le sang des enfants d'Afrique coule comme l'océan Atlantique, catastrophique le bilan crie la mer Afrique. Alponagaban, Kini Nazare, Bani Silgo Angora, Alponagaban, What a good lot Fight for the liberty For social equality Fight to make peace and love in our countries Cause we need an African unity And that many was the genocide in our country The Cuba Pila Pisa Colomba Jifa The Laka Laka Nada Pula Zamena Gacha Wade Samang Nena Manati for Kango Irla Beda Chara Wakanga Bala Bang And Goya Kaka Kaka Goja Mapa Quand to de seigneur, Quand est-ce que ton langue de sang ressent de couler Africa, pour ta liberté Pourquoi la bonne règne plus dans nos Many go on go And for Nagaban, but to Kurala to me they go got some some they a And for Nagaban, and for Nagaban, any does a rebani go on go And for Nagaban, but to Kurala to me they go got some some they a And for Nagaban. Et oui, voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Hanfona Gaban du groupe de rap Métaphore Crew. Retour au studio avec notre invité et nous poursuivons nos échanges pour ceux qui viennent de nous capter. Nous sommes avec monsieur Denis Gaston Ezekiel. Je rappelle, il est le président de la chorale laïque de l'université de Niamey. Avec lui, nous parlons dialogue interreligieux. Alors, euh, Monsieur Ezekiel, comment le chant euh, en harmonie euh, joue-t-il un rôle dans la promotion de l'unité et de la tolérance au sein de la chorale universitaire Alors, c'est nous. La musique est un langage universel. Et ce langage universel, universel euh, renforce l'unité et la tolérance au sein de notre groupe essentiellement. Et grâce à, ce caractère universel qu'a la musique, euh, nous créons un euh, je dirais un climat de cohésion sociale et cela nous permet de pouvoir célébrer euh, la culture et célébrer la musique, célébrer le vivre ensemble à chacune de nos répétitions et à chacune de nos activités. Mmh. D'accord. Alors, euh, quelles sont les expériences marquantes où la chorale euh, a eu à impacter positivement, n'est-ce pas, euh, sur la cohésion sociale entre les différentes confessions Alors, nous participons à beaucoup d'événements. Ce sont beaucoup plus, c'est vrai, des événements pour le moins officiels, mais le public est généralement un public qui est mixte. Et pendant ces événements-là, nous ne manquons pas de véhiculer ce message-là par nos chants du vivre ensemble, de la cohésion sociale. Alors, ces événements peuvent être des concerts, ça peut être des, des, événements officiels, comme j'ai eu à le dire. Et euh, la chorale contribue à la cohésion sociale mhm. en célébrant la diversité religieuse à travers la musique à chacune de ses prestations. Donc, Monsieur Ezekiel, selon vous, en quoi la chorale universitaire de Niamey peut-elle servir d'exemple pour encourager ce dialogue interreligieux euh, dans d'autres communautés Alors, déjà de par sa composition, la mhm. chorale chante en quatre voix. Mhm. donc, nous sommes déjà quatre groupes différents. Alors, ces groupes-là s'unissent pour mettre ensemble leurs différences. Quelles sont, d'abord les voix, excusez-moi Alors, les différentes voix, c'est la voix soprasse, alto, tenor et basse. Alors, euh, de façon fondamentale, elles sont différentes ces voix, mais lorsqu'elles se réunissent ensemble, elles donnent quelque chose. C'est ce qui donne le résultat qu'on vient d'écouter là. C'est pour dire tout simplement que nous n'avons pas besoin d'être identiques pour faire quelque chose de formidable. On peut être dans nos différences et faire vraiment des choses. Et ça, même au-delà de la musique, de par notre vivre ensemble, de par nos religions, nous pouvons montrer que nous pouvons bien sûr travailler ensemble, faire des choses extraordinaires, tout en restant différents, mais dans le respect mutuel de réellement nous nos différentes croyances. Super. Alors, euh, comment les membres gèrent-ils euh, les différences religieuses tout en travaillant ensemble au sein de cette chorale Alors, je crois que c'est d'abord le respect. Nous mhm. commençons d'abord depuis la phase de, formation des choristes avant d'intégrer la chorale. Mhm. Nous parlons réellement sur la nécessité ou l'importance de respecter réellement nos différentes, nos différentes euh, croyances euh, religieuses. Donc il y a, nous avons vraiment des petites règles entre nous qui nous interdisent de, de juger, de critiquer les autres. Et nous faisons, comme je dis, des activités ensemble où nous essayons de découvrir les uns les autres qu'est-ce que nos foi disent par rapport à des thèmes bien particuliers. Ça peut être le mariage, qu'est-ce que la, qu'est-ce que la foi dit, sur le mariage de la jeune fille, mhm. qu'est-ce que la foi dit sur l'environnement, qu'est-ce que la foi dit. Et nous synthétisons ces résultats après pour sortir quelque chose de merveilleux. De et de beau. Mais est-ce que, Monsieur Ezekiel, en tant que président de la chorale laïque, on peut avoir un petit peu, un tout petit acapella pour qu'on sache <laughs> vraiment avec quel genre de président nous sommes aujourd'hui. <laughs> Alors, je vous préviens déjà, je suis basse à la chorale. Donc, généralement, nous, on se met beaucoup plus en arrière. Uh-huh. Alors, on a un très beau chant qui parle de, euh, euh, des différences et du vivre ensemble. De tous les horizons, nous sommes réunis toute barrière linguistique annihiler nos différences ne sont que des atouts pour un monde plus juste, pour un plus compatissant. Pour la paix, pour la paix, pour la paix, nous œuvrons pour la paix, pour la paix, pour la paix, nous œuvrons. Eh oui, pour la paix, nous œuvrons. Pour la paix, nous œuvrons. Waouh, très belle chanson, euh, monsieur Ezekiel, euh, très touchant, bien évidemment, avec euh, des messages euh, très très positifs. Exactement. merci, infiniment, Denis Gaston, Ezekiel, d'avoir pris le temps de passer nous voir au studio Kalangou. nous vous souhaitons un agréable après-midi. Et à bientôt. Merci Samira, merci Seno, merci Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, euh, vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangou, co aujourd'hui par Samira Rouafi et moi-même Ali Munkela Ouseni. Et maintenant, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire qui parle aujourd'hui d'environnement où nous allons parler de déficit agricole de l'année qui vient de s'écouler. Exactement, la campagne agricole 2023 a été déficitaire dans le département de Gotei, région de Tilaberi, une situation qui est due notamment à la restes selon les responsables de l'agriculture. Pour euh, envisager, pour combler plutôt ce manque à gagner, des activités sont envisagées, explique Soumaïla Moussa, directeur départemental de l'agriculture de Gotei. Il était au micro de Mahama la campagne est globalement déficitaire au Nouveau département de Gauthier. Et les causes sous-jacentes de ce déficit, euh, c'est principalement la sécheresse. Et à cela s'ajoutent aussi les attaques des ennemis de culture. Voilà, en somme, et la sécheresse est intervenue à un point vraiment très crucial du développement des cultures, c'est-à-dire au stade de Montezot et Piezon. Nous avons eu trois séquences de sécheresse, de durée variable de deux semaines à trois semaines, et ce qui n'est pas sans impacter le développement normal des cultures. C'est ce qui a fait que globalement, nous avons environ 78 euh, villages du département de Gauthier qui sont déficitaires, sur environ 125 villages, vous voyez, presque tout le département est déficitaire globalement. Et donc, donc, euh, pour essayer de juguler ce déficit, comme d'habitude, ce que nous faisons, c'est le développement des cultures irriguées. Le programme de culture irriguée dans le département de Gauthier occupe une place de choix. Et effectivement, il y a les interventions de l'État, mais ça fait aussi partie des coutumes culturelles des régions de Gauthier, parce que c'est des riverains. Donc, euh, nous, ce que nous faisons, c'est amener les appuis conseils nécessaires pour que nous puissions encore booster davantage la production agricole. Et quels sont ces appuis-là Et ces appuis, nous avons eu plusieurs partenaires, notamment le, le, le PECRES, le PRIA, le CAIR, la Solidarité Internationale. En tout cas, chacun a mené ce qu'il peut en matière de semences potagères pour appuyer ces producteurs-là. Quand j'ai essayé de faire un peu la situation, les appuis font de l'ordre à peu près de quelque chose de 1000 hectares, ce qui n'est pas petit. Vraiment, ils ont appuyé, l'État aussi a appuyé significativement. Et donc, euh, nos programmes que nous envisageons encore d'avancer, de voir les possibilités de voir aussi les zones qui font les cultures de manioc et les patates douces, là où on peut appuyer encore, surtout dans la zone sirba et un peu la zone fleuve. En dehors des cultures irriguées qu'on fait d'habitude, il ne faut pas aussi oublier la culture du riz. Et d'habitude, il y a beaucoup de partenaires qui nous appuient dans ce sens-là, principalement l'État. Parce que vous savez, la culture de décru de riz maintenant, c'est un programme important de l'État. On est en train de voir partout où on peut développer la riziculture dans le département de Gauthier, on va le faire. Que ça soit au bord du fleuve, que ça soit au niveau des parfums en tout cas, partout où on peut mobiliser l'eau pour faire la, la culture de riz, on va le faire. Et la situation d'importation, on commence à en avoir marre. Il faut qu'on se décide quand même à produire notre riz. Nous avons les potentialités au niveau de Gauthier et on va s'atteler à le faire. Et chaque année, en tout cas, l'État nous amène du riz. Cette année, c'est pas tard et je sais que les partenaires sont là. Comme d'habitude, vont nous amener les appuis conséquents pour qu'on puisse encore faire davantage. En tout cas, l'année passée, nous avons fait plus de 1000 hectares en décru. Cette année, on pense faire davantage ou plus. Tout à l'heure, vous avez évoqué euh, sur l'activité des cultures irriguées. Comment les riverains ou bien les maraîchers accèdent à les semences à votre niveau Les semences, hein, tout ce que l'État amène ici, les partenaires, c'est gratuit. Hein. Vous savez, ici, nous avons un tissu d'organisation paysanne. Donc, euh, nous avons des groupements féminins, nous avons des groupements des hommes, nous avons des groupements mixtes et nous avons euh, le répertoire de tous ces producteurs-là. Donc, on fait la liste. Chaque groupement vient prendre sa part de semences ici. Et actuellement, ils sont en train de prendre. Et nous, après, on fait le suivi pour faire l'encadrement nécessaire pour que et on puisse faire euh, une bonne production. C'était un reportage signé Omar Hama. Alors c'est nous, et si on se détend un peu en musique ah oui, c'est une très bonne idée, euh, Samira. Alors d'ailleurs, je propose le titre Chamadara » de Barakina Bawa Allah. C'est parti. baraki na bawan Allah dan baba da ko yake neman dala yake dan mu sha zuba yake neman kuɗi yake shi ma ya sha madaran lilo wa ya gaya maka borno gabas take kai maka sha madaran lilo in ka gani ta maka sha ta ka kai ɗaka ba ta ta sha madaran lilo kai yaro sha madaran lilo kai lanta sha madaran lilo sha ƴan eh, mata sha mu daren lilo in ka kai Ils font couper, décaler, on fait mal, mal, faut Même pas ta tamiser ton œil, qui peut faire Je fais plus la guerre, je fais que des bébés. Ils sont plus à terre, ils sont tous enterrés. L'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu galères, ça se sent. Je suis bon qu'à niquer des mères, y'a ceux qui trouvent ça menaçant. je suis menaçant, pourtant je suis qu'à 10%. baba ka cuce mu kai da ka kai mu kwanta gora kwanta gora gari ne amma ba garin zuwa ba daga mai shan taba sai mai shan giya a kwance uwa wata ai uwa ta ce in ta mutu za ta min ciyo ba kombo ai fo danse ba de no danse danse mo ku de no fo danse yi fo buje yi fo danse Et eh oui, cher auditeur, Shamadara Lilo, c'est le titre de cette chanson que vous êtes en train d'écouter actuellement de l'artiste Barakina. Eh oui, de son vrai nom, il euh, répond à l'état civil par Moubarak Isifu Omaru. Hein. il incarne brillamment la scène musicale nigérienne en tant que révolution musicale de l'année 2017. Sa maîtrise du rap, de la trap de la trap hausa et de l'afrobeat témoigne de sa polyvalence artistique. Et oui, nous, son engagement et son professionnalisme font de lui l'un des artistes urbains les plus euh, énimes du Niger, véritable ambassadeur de la riche culture musicale de son pays. ta kai muke in kara muke layi suke ta yi lodi muke musu rawa suke ta yi sauti ya kai musu da na bada guda ta ce min bata so sai na bada biyar sai na bada biyar ana nan ana nan sai ta kai mu gagab haba delu a bar haka eh, kin san ba da son haka eh, yo mi zai faru mi zai karu a bar ni in tai haka haba delu a bar haka kin san ba da son haka yo mi zai faru mi zai karu a bar ni dan baba da koye ke neman da laye ki don shi sha madaran lelo mu shanzo ba yake nemo kuɗi yake shi ma ya sha madaran lelo wa ya gaya maka da gabas take kai maka sha madaran lelo in ka gani ta maka sha ta ka kai ka ba ta sha madaran lelo kai yaro sha madaran Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le titre Chamadara de l'artiste euh, Barakina la tout en espérant que vous avez aimé et que vous avez bien, bien dansé sur cette belle sonorité musicale. Alors, si vous êtes à Niamey, vous suivez l'émission Le Niger sur Kalangu, euh, sur la radio Canal 3 FM et Scout FM et bien d'autres. Sinon, c'est nous restons toujours à Niamey pour notre rubrique Écho des régions où la persistance des pratiques esclavagistes dans la société nigérienne soulève des préoccupations graves et cela malgré les efforts du gouvernement dans la lutte contre ce phénomène. Et oui, euh, cette violation des droits fondamentaux est punie par euh, le Code pénal et certains instruments juridiques. L'éducation, la sensibilisation des mesures euh, législatives sont essentiellement pour faire progresser la lutte contre l'esclavage et promouvoir l'égalité. Écoutons le reportage d'Abdul Kader Amadou. in neo niger namu bobora tamtarai gono halak kason wana wana din sambu nan ka hare iko gine tare kwara wadda bai kwara tamai kwara no ya amma irga bai kan ir do borakul a follon no ya din mono k'i ti fonde in borakul ye a follon ali buzo kala sa ta kan gonga bongore da kan sigine timidriya igin funano nan ka ga faman dir se tamtarai me ki gudu in neo niger labora wadin banda da haikan se tamtara godai ga timma ma irneo labora. Après une étude menée en 2002 sur euh, l'esclavage au Niger. Konkon siberi banda gir zambar hinka de hinka. Ikwai la sabu in Niger labo tamtarai dim hinzano gono. Wana wana di kwai sambu bora da haikul kanga ta wani akulu askogite kala a wani mai gida wani. iskogi duwai mu kala tilbe ga hara da tawo labu da aga da sahara di labu da zanda ihin kanta a mace kala bora dimo ga mbona ga fun ma bora sabai wadin ga kala hanka ne akwai ga hige ha balmo akwai gine inga mu koi ga koi tarai ciki no da ni koi ga fahaman da se mai gana fun dinga mu dim kanno wadin mu iskogi dia kala tilbe kwara da do sahara kambo ihin zanta mu irma koi gidiya kala tawo labu. Bora. kan ti koni madawa da ilela ilela da buzu kwarera yau dai isna sai kala wahaya wahaya din manki wahaya kan alislam tare ni borai ce ga kwara adin ne kan tamtarai a goga gabu borai kan goga te manki kala irin wana bonko ne ice nago kan kan ga himan da yadin yan haino kan borai bi mu kat tsano so kwa im ko gidwa sai fatten do har tabu personne ne vient en parler c'est une réalité qui est là mais les gens ne sont pas prêts à la mettre sur table de discussion hamma haya amanti kala tawo ko ara wan zuzuno nan kan nga mo ko koy ga fahaman dir se ki ti fonde kan ko koy ga tamtare kara hay kan ga ti la labai da irbun bo Niger bo wana mere tireira. donc pour ce qui est des instruments juridiques internationaux incriminant l'esclavage hay kan ga ti ki ti fonde kan ga labo ru hay kan ga ti tangamo da tamtare fonda irgi hinga kan de ki ti fonde bero kan andunya labai kuluk morgo ga kamba da ki bon Genève labora septembre do a jirbi waran kacin da guwa a nasar gi zambar fo da zongu ya ganda waran kacin da idu inshallah boko ya kama da kyabo mo da ibrahim do a jirbi iya a nasar gi zambar fo da zongu ya ganda wai dukin da taca titi fonda wani a asin tana ko gine tamtarai wo a mantikala borfo kan bare borfo goraira waradin wannu borwani kan ga tatam yadi mono ni ginga nere wala am gorga goyni se se wala ni yinga no yandi awan ahin kantara akwai gene bare kan ko ga da ke kiti fonda wani yan bongo ima sanka sambu kan ngai wo te yadi mono nga elabora iskoy gati yadi mono bore kango gate imani juke juke lalo lo kangana banda bore maskoy gasi in neo niger labo ir mere ki trebero kan signe constitution ngomo a aya waiki ni fara nan ka ko gine inna da mistare gberi yadi mono a wani aya waiki ni ta canta ga akwai gine inna da mise kula fono imahim gabora bandi walima kam kun futai walmo ambara borfo goreira zangim ne waradin wannan tamu wani yarin ga dir ko ne irin mere ki tirbero amani yaddan da tamtarai bumbono samsam ya mono ki fona kan ne code penal nga mo gi tamtarai yankar halmanti moso yarin ga irma bai kan chit fonda yo ira ba fono si da imbor de tamtarai zam wodi ngana imborai kan go gate im ko gani juke juke yallalo sont c'est vraiment donc Unique par notre code pénal irga bai kan kunda wane yan igogin gai kokar kulte ganan gai mitangam da tamtara amma aga cindi ir labora kaddai da bora kulta fo borem kokar ga tangam da tera wane kan sir labo no darza ba kaina yadi mono askon da labu da gine kadda ma yeti banda amma mo borem ma bai kan irki ti fondai igogi tamtara yankar gumo yadin bor borkul kan ga wane te fur tera wane yan fondara ga juke juke yan lalo kanganan borkin do koi ga si Voilà, euh, chers auditeurs, c'était là le reportage en région. Euh, il est 11 heures passées de 36 minutes. Si vous venez euh, de nous prendre en cours, pas d'inquiétude, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web www.studiocalangou.org ou sur la page Facebook du studio Kalangu. C'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif est dans ce studio. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et oui, comme je l'annonçais tout à l'heure, il est là avec nous dans ce studio. Il s'agit de notre chroniqueur sportif euh, Soumana. Bonjour Soumana. Bonjour, c'est nous. Alors aujourd'hui, nous proposons à nos auditeurs un focus sur un champion de lutte de la région de Niamey. En effet, Samira, il s'agit de Yacouba Adamou. Âgé de 39 ans, il compte cette année 16 ans de carrière dans la lutte traditionnelle. Ces derniers jours, Yacouba affirme à son entourage qu'il est grand temps pour lui de préparer la relève avant d'envisager la retraite. en marge de la 44e édition du Sabre national organisé à Agadez du 22 au 31 décembre, notre envoyé spécial Adam Sariou, euh, Adam Sariou effectivement, a rencontré le champion de Niamey. On écoute Yakuba Adam. gaskiya ni kokowa a Niger sai in ce alhamdulillah saboda kokowa yau duk abin da kokowa ta yi mini ba na ji bakin ciki ba na san rubutu ne na Allah kuma yau a Niger kowa ya sani ni ya kuba da mu akwai lokacin da yake kowa yana jin tsoron ɗauko takarda ta ko ta takarda shi yau ko kowa ta zo ana yi ba da ni ba kenan in nace zan yi hushi na yi hushi da hukumcin Allah kenan komi na duniya ba ka zama yau da gobe kokowa ta yi min komi babu matsayin da ban samu cikin kokowa ba duk abin da an ka ce an saga kokowa mutum ya same shi ya ci shi na ci shi kenan sai in ce ina Allah godiya ya kai so shidda na champion da Africa kaga sai in ci abu ne mai wahala a cikin Niger amma a samu wanda ya yi wannan champion ka tolak Niger Senegal chad duka da na champion daidai gwargwado na kai so shida na samu takobi so guda na yi galadima na yi troisième duka kup kup wanga masha Allah kuma daidai ne dan wasa da zai yi a Niger a ce ya yi kokari ko ya samu wani abu ko ya gyara gidan shi ko ya yi wani abu dai sai in ce ma Allah godiya Allah ya bani ta bangaren kokowa kuma na samu shekaru baya da sun kauce ya kai shekara uku hudu duk wanda ya sani ya san da lalle ni ina cikin da kuraje na kokowa yi dai na nake saboda bayana saboda wannan yara da ka gani saboda su ne nake raka saboda su samu fiye in sun samu fiye sai in janye haka ne nake roko ga Allah kenan ina kira ga masoyana ko yau ni ci na bari ina ma Allah godiya kuma ina musu godiya sosai sosai ina roƙon Allah yau kin nan gobe ne ina roƙon Allah ni dai ina so in rabu da ita lahiya to gaskiya ni yau ina tunani shekara ta 40 ba dai ni dan 85 na 1985 18 december. an kaihe ni an yame Eh bien, donc c'est tout pour cette page sport euh, d'aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup Soumana, à très bientôt. Découvrons à présent la star de notre portrait d'aujourd'hui. Âgé de 32 ans, Alice est un jeune originaire de Birningaure, région de Dosso. Soudeur de son état, Alice est spécialisé dans la fabrication des charrettes après 14 ans d'apprentissage. Et oui, aujourd'hui, il est à son propre, il a son propre atelier euh, de soudure dans sa ville natale Birningaure. Voici son portrait avec notre envoyé spécial Oumu Oumaru. ali saini furta gino jiri waranza de dandino gasi ir sabanda ali goga gwai inga dinga zankayan kan goga diya sai goyora hau torko nir sabanda ali goga te abanda ali ifo kati goyyan kan nigate ni sudir goyora. zama goyno kan ate jiri waicin di iddu a gogan agite port agite sharet agite farke torko da hau torko a fere wodin banda bor kan kwantara danga dari wala salon yan kula ga hinkati wodi yande kati ay goyi kan ay gate ne ko do kwarora aw torko birni nen dondo kayen dondo birni no ne nen dondo ay wana nodin ikulu birnde ne ni dondo ara de ne go kason a tegi wocin ta ci a paranti watin ga noy kafe ay bon woni so un kuna ay go girin kantara ay fur girin zantara nan go to lalle zai go birni ay go dondo zankan go irbanda to gere dira no amma so bore gai banda so kuna sibsa botta ce wal borin zakin goyi wora hautor ko te yanno ali no gabi zam ingano kauye borai gana fan dagumu an kai gade a gaba zama gade cornier ai gade fer i ai gade jant ai gade potole ai gade tiyo ai gade palanshan da bulonyan dan kai yanga cindi kuna hautor ko alni ko gaba na ko te zambara waran ka cindi hakku wal waran ka cindi yagga pon faranse gono luruma koi gono afadi fadi kan maki pon faransi pon faransa iga nera zambara woitaci hunkuna fare zo mugin ka nera zambar waran za cin dugu yakin fondo follon kara ali saini cebe kan ingai furta je ingai gaba kan bedanyan lantar ko do harai da goy yan zamin gai gonda anni hannu kan ga kan bagoite dai lantar ki jangai da goy ginay jangai goganan ingai sigdu goyo wote marka himanda ne ko dirsin da dangi irko da bore mi ami asini bo kan kun siba danjo maka ir kwarora paske kun danjo dinga hinno ga hinkanan irma avante ko gine zam den sinda dengi yamuno nkuna group den go goida ni te girbe no amakai wodi manda irga ba goy gina yan zama nkuna dirdu post a sude bere irga bara dirdu parses bere din irga bare da mel bere din kul irga bare irga ba kirkiyan kan iga kude da diga angarte waldi ga darti kirken gona kai ga dan ingano iga kude da borno ron matkan borga ba ni me zero matkan ni ga bara inga no da amma ya kino so iro iga te de no gabari da nirga te musu bai goida ya dinga an kunde dinga no borgon da gabi bo ste gabari kirki de no ce ci goy un kuna men gona kan kande ne mu funda din kamba asite amma den gonda parses be no wana din go gine den nirga ba un kuna irga ba den jowo Merci Omo Omaru pour ce beau euh, portrait. Pour euh, ce dernier tour musique, voici pour vous, chers auditeurs, Anine Kaina, un feat entre Abdallah et Fatima Rico. ani mai gadai se amina anin kana kochi yoga borbe jandi anin kana bani min tumal hanai se anin kana kochi yoga bor farandi C'était là le titre Anine Kaina de euh, Abdallah et Fatima Rico. Alors c'est nous, de quoi parle le loti d'aujourd'hui Eh bien, Samy, dans la rubrique loti de ce jour, nous abordons la question de maltraitance des enfants. Mais qu'est-ce qui pourrait hein, bien pousser un parent à maltraiter un enfant Découvrons-le ensemble dans ce loti que nous présente euh, Rukayatou Abdraman et Rekia Arimi ainsi que toi-même, Samira Rouafi. Affairage, affairage, affairage, affairage. de la sorte. Hmm. Mariama Mariama Hé, eh, mais dis-moi, c'est encore tes élèves qui te fatiguent comme ça jusqu'à tu parles toute seule. Hmm. Si seulement c'est le cas. En traversant la grande place, j'ai croisé une élève avec du bois sur la tête. Je lui ai demandé pourquoi elle n'est pas à l'école. Elle me fait comprendre que c'est sa mère qui l'oblige à aller chercher du bois. Et gare à elle si elle ose retourner sans rien. Une élève qui fait la corvée des bois à l'heure des cours. Mais pourquoi ses parents lui font travailler pendant que ses camarades sont à l'école Eh pardon, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est aux parents. Il me semble que c'est la fille de Hajia Maimouna, la femme d'Al-Hajj Meikoudi. Ah, je vois, la petite Nadia, une fille très brillante. Mais ce n'est pas sa propre fille au fait, c'est la nièce de son mari. Je me rappelle qu'elle a fait venir la petite parce que dans son village, il n'y a pas de collège. À cette allure, la fille risque d'être exclue de l'école. Je trouve cette attitude irresponsable. Mais attends, qu'est dit Al-Hajj dans, dans tout ça Il ne peut pas réagir Qu'est-ce qu'il sait même de ce qui se passe dans la maison Lui, dès qu'il sort le matin pour le marché, il faut tard dans la nuit pour qu'il rentre chez lui. C'est la femme qui gère tout. Pauvre petite. Mais moi, en tant qu'enseignante, je propose qu'on rende une petite visite à Haja Memouna. Tu es partante Et comment Allons-y. Hé Allah c'est pas bon. c'est pas bon. Tous les chats, toi, à l'école, mais les des Salam alaikum. salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Entrez. Bonjour Hajia. Comment vont les enfants Quel plaisir de vous recevoir chez moi. Les enfants sont à l'école. Mais que puis-je faire pour vous Eh, pourquoi vous-même n'êtes pas à l'école, madame la maîtresse <laughs> ce n'est pas l'objet de notre visite. Mais tu disais que les enfants sont à l'école et je viens de voir Nadia faire des corvées au détriment de ses études. Vous trouvez cela normal Hé, madame, comment osez-vous m'attaquer dans ma propre maison La manière dont je dis que ma nièce là, ça ne vous regarde pas. Elle va même se marier bientôt. Quel kilo Partez vite avant que je n'oublie le sens de l'hospitalité. Ah, Jamais, Mouna, calme-toi. On n'est pas ici pour te dire quoi faire, mais juste pour vous dire qu'un enfant a ses droits, surtout dans le domaine de l'éducation. Parce que vous avez la craie en main, vous pensez être supérieur à moi Les enfants sont des enfants. Ils n'ont aucun droit. Ils doivent faire ce que leurs parents leur dictent. Point barre. Hajia, il t'encombe de protéger Nadia comme ta propre enfant. C'est ce genre de traitement qui pousse certaines à figuer et être exposées à tous les dangers, viols, enlèvements et quoi sais-je encore. Subhanallah, moi ce n'est pas mon intention, pas du tout. C'est pas fini le Niger a ratifié plusieurs conventions internationales et régionales qui protègent l'enfant pour son bien-être. Le gouvernement a aussi adopté en 2016 un décret portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement des jeunes filles en cours de scolarité. Ces décisions ont été prises tout ce qui peut causer l'abandon de l'école, notamment le mariage d'enfants, l'éloignement des établissements scolaires ou l'insuffisance des familles d'accueil c'est bon, j'ai vraiment compris. Je ne vais pas avoir tout ça sur ma conscience. Désormais, elle ira suivre ses cours comme ses cousins. Nadia, viens ma fille, je t'accompagne au collège. Haja, tu es sûre d'avoir tout compris Sinon, je peux aller expliquer tout cela à Alhaj Mekoudi, hein N'est-ce pas, Binta Ah, on va aller quand même. Non, non, non, non, non, ce n'est pas la peine. Merci à vous d'avoir pris la peine de me conseiller sur mes ajustements. Je t'en prie, Haja Maimouna. Peut-être que c'est elle qui t'amènera à la Mecque. <laughs> Hé, hé, hé, Eh bien, que Dieu fasse qu'il en soit ainsi, vraiment. amen. amin. Haja. Merci vraiment. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le loti du desk femme du studio Kalangu, euh, le sujet qui a été abordé hein, euh, dans cette loti est tout simplement la maltraitance des enfants. Le mission, Le Niger sur Kalangu, c'est aussi de la culture linguistique. Ce matin, nous sommes avec Alassane Abdou. Il est le rédacteur en chef du studio Kalangu et aujourd'hui, il nous vient avec le mot wish. Bonjour Alassane. Bonjour Sino, bonjour euh, Samira. Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous offrez euh, de nous prononcer sur ce mot, qui est un mot en anglais wish qui veut dire souhait en français. Vous savez, aujourd'hui, euh, notre nos cultures, si je peux le dire ainsi, euh, sont un tout petit peu transformées par des cultures de l'Occident et d'un peu partout. Mhm. Aujourd'hui, quand tu vas dans des familles, chaque fois, je te souhaite telle chose, je te souhaite ceci, je te souhaite cela. Mais en langue locale, deux fois les gens ont des difficultés pour comprendre comment il faut le dire. Exactement. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est bon aussi d'aider nos frères, nos sœurs, nos parents même, ceux qui sont dans les villes, parce que c'est surtout ceux qui sont dans les villes qui ont des difficultés à comprendre comment je peux dire telle chose dans ma langue locale afin de montrer aussi ma joie pour telle fête ou pour telle chose. Mhm. Et quand on dit je te souhaite, quand il y a un examen, quand c'est une fête, je te souhaite bonne chance, je te souhaite ceci, je te souhaite mes vœux de ceci, mes vœux de cela, Anzarma, c'est tout simplement un mot, si vous voulez, toute une définition. Parce que, contrairement au Hausa et aux autres langues, Anzarma, quand tu n'as pas un mot, mhm. on détaille, on explique. Donc voilà comment on arrive à expliquer aux gens ce qu'on veut faire. Souhait veut dire tout simplement Anzarma Bona. Bona. Bona. C'est noté. <laughs> C'est noté. Bona. Je viens de découvrir ces mots. Aïe Bona Kti Irkoimino yachine. Ok. Aïe Bona nous aige bona nous Mais il faut noter également que bona, il y a ceux qui ne connaissent pas bona, mm -hmm. tu peux tout simplement dire aige ngare nisi. irko min noce co kan go ceci ay ga ngare irko mir cabi yes ya kine matka wardi har wono ay ga halga kason donc ngare yongote ni won suite yongo kan go borasi. borase kan go dukkan bora faham to irgo ngare irko mir cabi yes ir bo nakati haranjiro kan irdi am, am siye no da ngirse gabaira mm -hmm. donc ni bona dati ni wani anniya kan goni se ni wani ngara gisandir ne igin kine mu halka son wari mm -hmm. ya dinu warga ci dar kan gati zar masanira mm -hmm. ya diniga irga bir hangar koy mu faham matakin da angle anglais sanniga kan sigina wish irni ki anasar sanniga kanti jesuit zaram sanniga ni gihin kine ai ga bona ai ga bona walai ga ngarai har kanga dukunan war wani misai gasu aiga ngware wone ma kwedi gina ni se jingiro kanka mate yakine mate yakine mate yakine wone no kwa ik sabu me shala bona ni se journée hanno <laughs> merci beaucoup zarombori zarombori merci beaucoup vous êtes euh, nombreux à nous suivre grâce à nos médias partenaires de partout au Niger écoutons quelques-unes de vos réactions vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. C'est Mohamed Hadi Abdou. Euh, je suis un habitant de Madawa. Merci pour le studio Kalangu de m'avoir interviewé aujourd'hui. C'est vraiment un honneur parce que ça fait un moment j'entends studio Kalangu. J'écoutais les émissions. Vraiment, c'est des émissions qui passent très bien. On adore ce genre d'émissions parce que c'est des émissions qui édifient euh, euh, la population, qui aident à comprendre euh, la société. Vraiment, je dis merci et je pense que le studio Kalangu peut aller au-delà de ce qu'il fait, parce qu'il y a beaucoup de choses et eh, que les studios Kalangu peuvent faire comme émissions eh, qui peuvent aider la jeunesse, qui peuvent aider la population surtout dans le développement, développement agricole, l'élevage par exemple, le monde rural quoi. Donc voilà un peu euh, mon message. Euh, de, là aussi, je, je, salue tous les travailleurs du studio Kalangu, euh, particulièrement Rahila Soumana, avec qui on a été à la faculté des sciences à l'université Abdoumouni. Merci beaucoup. اسمي ابراهيم اه مر الماراوا وان تبارك الله سلا والاستوديو كلندو تبارك الله ولي نغرازنا انا ولي ولي أمم، اول وانا كل دا تيري تما زغاوا تما لم تيري تولي ولي كما راديو دي الغرس وراتك كل انا كل الغرس تو رقرقاس دغ سلولا رقرقاس دغ راديو سين ترى تما قصر قرنا كغنا وانت ما قنت سرا قرنا رغ سلولاني ندا انا كل تو ولا غن بشقا كل من هنا Vous écoutez le Niger sur Kalangu Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Eh oui, chers auditeurs, les Hindadi Karewa, ici prend fin notre émission de ce mercredi 10 janvier, euh, vous, 10 janvier 2024. Vous étiez en compagnie de Samira Rouafi et moi-même Ali Munkela Hussein alias euh, Seno. Hakane Seno, Masorare Dinkasentua Taradoku. durant ces une heure d'information et de divertissement, on se dit à 17h pour notre programme de deux heures qui débutera avec la grande édition. Merci à l'équipe technique et éditoriale qui a rendu possible la réalisation de cette émission excellent après-midi à tous. On se dit bye bye. Bye bye. Il est temps, il est l'heure. On tourne la page pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Kukayesi. Barkaji modon e wonja golitane. Jama'a barkamu da sabuwar shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.